li gën a fës mooy suñu naataango bii di may Maïmouna Ndour fay nekk directrice télévision 7TV fële Ndakaaru bi nga xamante ne dañ ko agressé sauvagement ci alxamis euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci guddi alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu daal di ko agressé sauvagement di poignardé ko ñu ngi ñaan di exiger euh, ñu def lumière maanaam ñu leeral mbir moomu képp ki ko mën ta def ñu daal di ko traqué Euh, wër ko ba jàpp ko xamal ni réew mi ak euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ni loolu dootuñ ko seet dootuñ ko seetaan parce que presse bi ñu ngi koy saaga bés bu yàlla sàq di ko intimider di ko agresser di ko ërtal fépp foo xamante ne mu ngi fa am taxawaay di def liggéeyam te loolu nag dootuñu ko seetaan doy na doy na sëkk te dootuñu ko nangu liberté de la presse nag depuis quelque temps la presse est sujette à des arrestations agressions persécutions intimidations et menaces de mort des actes qui sont devenus le quotidien des journalistes au Sénégal Maïmou Ndour directrice de la chaîne de télévision 7TV a été sauvagement poignardée dans la nuit du jeudi 29 février 2024 près de son domicile alors qu'elle venait tout juste d'animer une émission nous, presse de la région de Saint-Louis, condamnons cet acte barbare, ignoble et rétrograde. La presse est insultée, salie, menacée, intimidée et agressée. Nous disons, ça suffit, basta, doida, stop. La liberté de la presse est bafouée, la liberté d'expression est poignardée. Mais la culture de la pensée unique ne passera pas. Nous, presse de Saint-Louis, exigeons que la lumière soit faite sur cette agression abominable et que le ou les auteurs de cette tentative d'assassinat soient traqués et sévèrement punis, comme le stipule la loi.